le conseil constitutionnel fait une décision mais il n'est pas allé au bout de sa logique. Mhm. on est très clair. Ouais, mhm. comme Nico euh, major mhm. droit et interprétation là. je pense qu'il a pris les interprétations les plus pessimistes. et am a Sénégal le on va prendre les interprétations les plus positives et les, les plus responsables. Parce que le président Macky Sall n'aura plus la responsabilité d'avoir des morts encore sur la conscience. Donc l'interprétation la plus plausible, je pense que le Conseil constitutionnel faire dans les meilleurs délais, pas dans les plus brefs délais. Surtout, il faudra dans les meilleurs délais. Sur cette notion Maintenant, dans les meilleurs délais. Voilà, dans les meilleurs délais yaakaar naa conseil constitutionnel man interprétation bi nga xamante ne moom moo si def day wuuteeg bi nga xamante ne major moom la def. Mm-hmm. conseil constitutionnel daf ñu delloo à 10 jours avant mm-hmm. li fi xew que la commission d'enquête, le décret loi lépp. tegee nañ ko ko mm-hmm. nañ dellu 10 jours à Nous avons commencé suñu suñu suñu élection et on est dans les temps matériels pour ñu def élection et que le 2 avril le président Macky Sall la joxe joxe nguur gi ki nga xamante ne moo ko war a jël et loolu mooy dëgg loolu la ñu war a wax sénégalais yi loolu moo loolu Macky euh, ñi nga xamante ne ñoo téye réew bi responsabilité boobu la ñu war a am pour wax le président Macky Sall pour que lépp jaar ci yoon et que élection yi nga xamante ne moom la ñu war a jëm sénégalais yi jëm ci si jàmm ak salaam ñu def ko ki nga xamante ne moo war a gagné gagné et que lépp li nga xamante ne mooy conséquence si tout ce processus bi nga xamante ne mooy jàll qu'on les prenne à 100 pour cent parce que je pense que intérêt wu li nga xamante ne dix jours yii nii xama lan la beaucoup de masques sont tombés les vrais visages de beaucoup de politiques, de beaucoup de personnes de la société civile, de beaucoup d'acteurs qui font des tourments dans ce pays. Et que nous, dans notre logique, bi nga xamante ne on on s'était préparé pour pour aller aux élections le 25 février li ma waxoon la dernière fois sama sama sama grand frère ñoom Nourou Niang hmm. pare wuñu woon te xam nañ ne du ñu dem deuxième tour ñu indi lii lépp pour ñoom ñu jekkastiku seen position c'est pas grave. ñoom kon dañoo reculer pour mieux. loolu lañ doon def dañ doon ut prox ndollu ut temps pour ñoom ñu jekkastiku mais ñun pare dañoo pare pour dem élection te dañoo bëgg suba suba suba suba suba suba suba suba campagne yi commencé waat ñu dem parce qu'on est dans les temps fais fekkee ni avec responsabilité avec hauteur. non non non non non le conseil constitutionnel est allé jusqu'à dire que le 25, on ne peut pas organiser d'élection donc on repousse les élections d'une semaine ou de dix jours. mais pas plus papier non mm, impression bi mu ça prend pas. ça prend pas énormément c'est imprimé déjà mon cher ami. voilà vous ñu ko imprimé ñu imprimé waat yeneen. déet ala xaalis bi yaa ngi xaalis bi mu ngi fi. kan ana ah, mu. ah oui, ngi fi xaalis bi mu ngi fi. ah, ah yéen ngeen doon dox ba pare ngeen la xaalis <laughs> en cas euh, d'urgence ou bien de catastrophe tout ça c'est prévu dans un budget. non ça c'est un plan hors sec. Orsec. on l'appelle le plan hors sec plan c'est pour les catastrophes. plan plan hors sec, c'est juste pour les inondations nous enlever de de l'eau ça c'est le plan or sec voilà am na internet bu ko soulever sax est-ce que tamit dans les meilleurs délais wu nekkul conseil conseil dañoo wax bëgg a wax le président saa yi bu jàppandee. c'est ça saa yi bu jàppandee xam nga xam nga saa yu jugé moom laay wax sànq. waaw loolu la ñu ko

tous les sacrifices qu'on devait faire pour cette démocratie je pense que Ben décès de plus ce sera de trop. Mm. ce sera de trop. on a déjà fait assez de sacrifices. si pour ça. Mm-hmm. on doit plus reparler. de ces choses euh, le président malheureusement pour lui s'il n'avait pas pris le décret. qu'il est-ce qu'il avait pris un décret il, devait, il avait demandé à consultation, avis du Conseil constitutionnel. Voilà mon def dara. Mais le il a Mais, ah, ouais, la def, Jarul avis Conseil constitutionnel, il est directement passé à l'Assemblée nationale parce qu'il voulait faire un forcing. Ce forcing, aujourd'hui, santé à parce que nous ne pouvons interpréter, le Conseil constitutionnel, euh, doit devoir. Parce que quand je me dis qu'en 2019, la candidature de Khalifa Sall était bel et bien recevable et qu'on l'avait déclarée irrecevable, parce que le rabat d'arrêt était suspensif au moment de, la décision et que eux, ils avaient dit que c'était pas suspensif. mais est-ce que tu as mis. non <laughs> donc six mois après lassemblée assemblée nationale nous voté loi et le rabat d'arrêt n'est plus suspensif. Donc, ceux qui avaient éliminé Khalifa Sall, c'était six mois avant, six mois après, ils l'ont régularisé parce que ce def du fait, ils ko fait. Maintenant, est-ce que nous avons est est reporté l'élection Non. Parce que le Conseil constitutionnel, même si vous dé sur liste, sur liste définitive, vous devez prévoir. Vous nit sortir sur liste, bi faire une liste définitive maintenant nous nga xamante dem nañ ba double nationalité on le sort simplement de la liste définitive et on continue les élections et la date des élections devait être maintenue C'est Mansour ah. déjà il y a ci benn cas bu compliqué parce que nous avons chanté, mais on sait qu'il y en a d'autres qui Alors, ah Mais comment faire les investigations pour l'établir mhm. Tant Karim Ward, ça n'a pas pris Non, non, Karim Ward, c'est ah, bon ça. Mais Karim Goudou, parce que entre, entre, la, date, Karim, entre la date qu'ils ont sorti, cette Karim, non, entre la date qu'ils ont sorti euh, son inscription sur les listes électorales de françaises et la date de la décision, moi, tout le trois jours. Moi, ah, parce que Non, il y a le décret, il y a le journal officiel français. Mhm. Moi, le 16 les histoires de Caribes Moi, je le problème. C'est bon, il y a l'élément matériel de preuve. Mais il y a une supplication. Les Polonais, les Espagnols, les autres Américains. Y en a même il faut Ils ont eu 11 jours pour faire ça. Non, donc il faut me en place. Non, il faut mettre en place. Non, non, non. Affaires étrangères. il faut me donner. D'accord, parce que la déclaration sur l'honneur, mhm. Sénégal règle tout, tu waaw États-Unis boo demee pour par jour di nga fini, donc tous ces candidats là qui ont fait la déclaration sur l'honneur et par x ou y un de ces jours qu'on découvre qu'ils ont une double nationalité ils devront répondre de leur responsabilité. mais n'êtes pas président vous parlez du faux vous pas le président il devra répondre sur ça parce que ce sont des faits antérieurs à sa présidence. non ce sont des faits antérieurs. on dit qu'il n'est pas poursuivable. ce sont des faits antérieurs à sa présidence. la constitution dit qu'il ne peut pas être poursuivi ni Pour autre trahison. mais, nous aura trahi parce parce que nous aurait menti. Non. Ah. si non l'autre mot, ci allez <laughs> question est-ce que tey ni nii jàppoo victoire par rapport à ce nga xamné mom la annoncé won conseil constitutionnel bu mu comme nous ngeen ko bëggé won ni ko les élections vont se tenir par A ou B le 25 février mais dafa né xam nañu on est dans l'impossibilité de tenir les élections